Madame Ibrahim Zara El Hajj El Mamadou, euh, comment la femme euh, contribue aujourd'hui à la prévention des crises et conflits au Niger Nous, voilà ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il y a des femmes qui ont souffert dans la rébellion, mais en contrepartie, il y a des femmes. Donc aujourd'hui, ce qui est là pour que les femmes souffrent, c'est surtout la consolidation de la paix. Nous sommes là pour la consolidation de la paix et la prévention des conflits sous toutes leurs formes. Et nous avons dit qu'à un moment donné, il faut que la population d'Agadez, la population du Niger dans ensemble, soit conscientisée par rapport au problème que, le ministre Risseboula vient d'évoquer. Les foyers de tension qui nous entourent un peu partout. Donc il faut que nous, au niveau du Niger, qu'on sache que ça, là, ça peut venir chez nous. Ça peut arriver à n'importe quel moment. surtout que nous avons des enfants, nous avons des jeunes qui sont là, qui ne font rien et qui savent manipuler les armes. Donc c'est un, danger. Il faut que ces jeunes-là soient occupés. Ça, c'est la première stratégie. Il faut occuper les jeunes. Il faut aussi euh, faut faire en sorte aussi que les femmes soient aussi responsabilisées. Il faut qu'elles soient soutenues. Il faut qu'elles soient aidées dans leur recherche de consolidation et de prévention de ce conflit. Dieu merci, c'est vrai, nous avons le soutien de notre État. Nous avons le soutien de certains partenaires mais le soutien de l'État a toujours besoin d'être augmenté et ça doit être à tous les niveaux. Donc, euh, vraiment, notre stratégie, c'est comme je l'ai dit, c'est la lutte contre l'ignorance, c'est la lutte contre la pauvreté, et ça, là, nous le faisons à travers des sensibilisations. Nous le faisons à travers des conférences. Présentement, nous avons des projets avec ECAP euh, sur euh, la traite des enfants. Là aussi, nous sommes en train de, former des femmes leaders de la région d'Agadez, de toutes les communes d'ailleurs, qui après serviront des relais pour sensibiliser leurs enfants, pour sensibiliser, les, sensibiliser leurs maris, leurs frères et tous les quartiers là. Donc, euh, c'est vraiment notre stratégie. Que les femmes leaders servent de relais. Que les femmes leaders essayent de combattre ces phénomènes avant qu'ils n'arrivent chez nous. Et pour ça, il faut conscientiser tous les Nigériens.